Merci Maître Sidi Kaba qui arrive également ici au Palais de la République. le euh, euh, ministre des Forces armées, Maître Sidi Kaba Palais de la République musique garde présidentielle bi di ko euh mu doon affaire bo xamantene da fay am euh, solo bo xamantene sénégalais yépp dinañu nangu ni tey civil ak militaire and euh célébrer li nga xamantene mo di fête de l'indépendance 4 euh, avril 2020 si euh, li nga xamantene mo fi nek manam feebar bi Covid 19 indi ay jafé jafé si sunu kom kom indi ay jafé euh si lépp lo xamantene ne dana tax nit mën dem ak dik manam liberté yi.

parce que comme ni euh, au-delà de tout ce qu'on fait dans le domaine de la santé il s'agit justement d'adopter les bonnes attitudes pour euh, que euh, la pandémie ne puisse pas trop affecter justement le système parce que c'est une maladie qui a bouleversé les plans, qui a remis en question les systèmes établis un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, le Sénégal a pris en charge justement cette question et mis en place un dispositif qui permet euh, justement d'aller euh, dans le sens de réduire considérablement les dégâts que pourrait causer cette pandémie. Et euh, c'est le chef de l'État, le président Macky Sall, qui est en première ligne pour montrer l'exemple. Et aujourd'hui, vous allez sans doute comprendre qu'il s'agit de dire encore non, non à toute forme d'oppression, mais également à toute forme d'agression, que ce soit sur le domaine euh, sanitaire comme aujourd'hui la pandémie du Covid-19, mais également quand il s'agit de défendre le territoire national, l'intérêt national, les forces de défense et de sécurité, derrière le chef de l'État, derrière le président de la République, le peuple sénégalais uni et debout comme un seul soldat qui mène le combat pour son développement socio-économique dans la cohésion, mais également dans l'unité autour de cette devise qui nous réunit depuis 60 ans, un peuple, en but, une fois Et les militaires, aujourd'hui, derrière le président de la République Macky qui arrive actuellement ici au Palais de la République, vont porter haut le flambeau de ce combat contre le Covid-19 et vous allez justement suivre avec nous ces moments forts, ces moments forts pour montrer encore une fois que le Sénégal reste debout et prêt à faire face à toute forme d'agression. Je vous laisse vivre avec nous ces moments très solennels. Excellences, Monsieur le Président de la République, les honneurs vous sont rendus par un détachement de l'escadron spécial de la garde présidentielle commandé par le capitaine Kalaoutin, à vos la République. Attention pour les couleurs. En vrai. 对 Voilà donc, euh, après l'hymne national du Sénégal, euh, la présentation des sabres devant le président de la République. et terreur. Le soleil, justement, du 4 avril 2020 continue à darder ses rayons sur le palais de la République pour montrer encore une fois qu'il y a, qu'il y a de la lumière en vue parce que après cette pandémie, il va falloir retrouver toute la quiétude que l'on connaît ici euh, au Sénégal et faire en sorte que ces valeurs que défendent les forces de défense et de sécurité euh, puisse rappeler à tout le monde qu'il ne faut euh, jamais dormir sur ses lauriers, qu'il faut rester vigilant, mais également debout pour euh, faire face aux défis qui interpellent nos pays et les relever comme il se doit. Et le président de la République aujourd'hui, en communion avec les forces de défense et de sécurité qui sont dans les casernes, qui sont sur les dispositifs de l'état d'urgence, du couvre-feu, notamment dans les rues de Dakar, un peu partout à travers le Sénégal. Euh, ces forces de défense et de sécurité sont à l'honneur plus que jamais, 60 euh, ans après euh, notre indépendance, cette liberté retrouvée, le Sénégal qui unit encore une fois dans sa diversité, montre que c'est une nation qui met en pratique toutes ces valeurs de la République. Et aujourd'hui, nous constatons Louis-Philippe Sagnard, que les forces de défense et de sécurité savent s'adapter à ce genre de contexte et leur rôle dans la lutte contre les pandémies, dans la gestion de ces crises sanitaires est primordial puisqu'ils euh, sont aux premières lignes quand il s'agit de défendre l'international, le territoire euh, sénégalais. Et aujourd'hui, c'est notre capital humain qu'il faut préserver. Il faut lutter Hein, pour que la santé des Sénégalais ne soit pas trop affectée par cette pandémie qui a fait énormément de dégâts à travers le monde hein, dans euh, des pays très puissants. Et aujourd'hui, le Sénégal, hein, vrai que notamment son niveau de croissance, 6,8%, va connaître justement des difficultés économiques, mais l'essentiel, c'est que la paix soit préservée et que la santé des populations soit prise en charge comme il se doit afin de rebondir puisque le Lion Rouge a rugi et euh, de bon, il s'était lancé pour défendre justement euh, ce peuple, pour défendre ce pays. Et aujourd'hui, l'hymne national du Sénégal nous rappelle encore une fois euh, qu'il s'agit ensemble d'être unis autour de l'essentiel, parce que l'essentiel, aujourd'hui plus que jamais, c'est combattre ensemble ce Covid-19, cette pandémie. Et le président de la République, vous avez constaté qu'il n'y a pas d'allocution. C'est dans le silence, mais un silence euh, très parlant, qu'il va falloir justement se battre avec des actes plutôt qu'avec des mots. Et c'est pour cela que cette fête est très sobre, ce format est très inédit. Le Sénégal va se rappeler qu'en 2020, il y a eu une cérémonie de levée des couleurs pour fêter l'indépendance euh, de ce pays, 60 ans. C'est un chiffre symbolique, mais il s'agit encore une fois de faire de ces 60 ans un nouveau départ afin que les préoccupations des Sénégalais, où qu'ils puissent être, soient prises en charge par les autorités euh, politiques et que justement ces forces de défense et de sécurité qui sont euh, justement sous les ordres de ces autorités euh, politiques puissent continuer à faire le travail dans la dignité, dans l'abnégation, avec la foi en ce pays qu'est le Sénégal. kon nag Philippe Sagna ñoo seetlu euh, ak yéen li nga xamante ne fi am ndax euh, président gis ngeen jëlul kàddu drapeau bi la ñu yëkkati militaires yi bàkkal ko li nga xamante ne hymne national bu Sénégal di fàttali rek ni lii yëpp day wane ni

ndax li nga xamante ne moo di xeex bi àndul ak ay wax yu bëre ay jëf la te loolu ñi nga xamante ne ñooy militaires yi si lañ nekk saa su ne ak ñi nga xamante ne ñoo nekk si hôpital yi waaye si su peuple bi jàppee rek ñëpp nekk ay soldats ñu mën a xeex li nga xamante ne moo di coronavirus kon nak Louis Philippe Sagna vous avez vu euh, ce qui s'est passé ici avec l'ensemble des téléspectateurs cérémonie sobre inédite pour ce 4 avril 2020 euh, 60 ans de la fête de l'indépendance avec euh, une cérémonie de levée des couleurs présidée par le chef de l'État, le président euh, Macky Sall, avec euh, des actes qui parlent plus que des mots au sein de cette institution de la République, le palais présidentiel. Je vous remets l'antenne et on se retrouve sans doute dans de meilleures conditions avec la bonne santé autour du peuple sénégalais. Nous allons ensemble pouvoir acquérir euh, de bons résultats sans doute avec le personnel de santé dans ce combat contre la pandémie du Covid-19. Louis-Philippe Sagna. Voilà, merci à vous.